Sur la crise en Guinée, les organisations citoyennes et la société civile sénégalaise annoncent une marche pacifique le 28 octobre prochain. Elles demandent par ailleurs à la CDAO et aux Nations Unies la mise en place urgente d'une commission d'enquête internationale sur les crimes commis au pays de Condé face à la presse tout à l'heure. Au micro de Amadou Sabarba, Alun Badarambou, membre du mouvement Frappe. Alpha Condé est le principal responsable de la situation chaotique que vit la Guinée. Lui et son gouvernement, censés protéger la vie des citoyens et garantir l'exercice des libertés publiques. Au regard du bilan faisant état de 30 morts, dont des enfants de 3 à 14 ans, nous, organisations de la société civile et mouvements citoyens sénégalais, recommandons au président en exercice de la CDAO un sommet extraordinaire de la CDAO consacré à la crise guinéenne pour stopper le bain de sang en cours et sauver la population guinéenne au procureur de la Cour pénale internationale l'envoi d'une commission d'enquête internationale pour enquêter sur les crimes commis en Guinée depuis le début des contestations contre le troisième mandat. Et ces mêmes recommandations sont faites aussi à l'encontre du secrétaire général des Nations Unies. Nous appelons à une marche pacifique de soutien au peuple frère le mercredi 28 octobre 2020 à partir de 16h de la place de la nation au rond-point de la RTS. L'Union des forces démocratiques guinéennes UFDG en conférence de presse en compagnie de son avocat maître Elhaj Douf, c'est à 16h au café de Rome. Fadel Barro demande au préfet de Dakar de bien réfléchir avant de parler. La prochaine fois, le Yanamariste condamne la sortie jugée malheureuse sur la marche des jeunes ressortissants guinéens de, euh, en marge de la conférence de presse des organisations citoyenne au micro de Amadou Sabarba. C'est une autorité administrative. Il autorise ou n'autorise pas. S'il estime que les gens ont fait une, autorisation, une manifestation non autorisée, eh bien que la loi s'applique sur ces personnes qui l'autorisation non autorisée. Mais faire ces jeux de menaces, ce n'est pas la première fois. On se rappelle ici que les Guinéens vivant au Sénégal avaient une fois organisé une conférence de presse ici. Ils ont été tous arrêtés, amenés à la police et la préfecture. Je prends le FNDC Sénégal en témoin pour les intimider mais de quel droit il se permet Le Sénégal est un pays démocratique, est un pays libre, où chaque Africain a le droit d'exprimer ses opinions. On condamne la violence quelle qu'elle soit. Nous ne cautionnons pas cette violence de jeunes Guinéens qui ne sont pas que des Guinéens. Parce que le préfet oublie que parmi ces Guinéens, il y a beaucoup de Sénégalo-Guinéens. Est-ce qu'il va expulser des Sénégalais à la frontière parce qu'ils ont manifesté sans autorisation Et c'est parce, est-ce que parce qu'un Africain vivant parmi nous a enfreint une seule loi, une, autorisation, une marche non autorisée, qu'il va être expulsé du Sénégal Est-ce que ces menaces ne sont pas disproportionnées par rapport à la faute commise. Une faute qui se comprend dans un contexte où c'est des gens qui sont en train de perdre leurs frères, leurs sœurs, leurs petits-enfants, leurs mamans, leurs parents sont aujourd'hui entre les balles de Alpha Condé. On peut comprendre, ils ont débordement démotion. Au lieu de le comprendre, au lieu de l'encadrer, au lieu d'encourager que le Sénégal soit ce pays de la Teranga, eh bien le préfet sort le bâton et menace les Africains de les amener à la frontière. Eh bien quelle frontière ces frontières tracées par les Blancs, ces frontières du colon, ces frontières qui n'ont existé qu'à partir de la colonisation parce qu'avant, nous sommes tous Guinéens, nous sommes sommes tous maliens, nous sommes tous gambiens. Menace d'expulsion des ressortissants de la Guinée-Conakry qui manifestent ces derniers jours devant l'ambassade de leur pays à Dakar contre le régime d'Alpha Condé, le préfet de Dakar, est-il allé trop loin Commentaire du jour, Baba Fall. Le communiqué du préfet de Dakar est tout simplement horrible. Et certains mots utilisés dans le texte sont juste nauséabonds. Comment peut-on, à ce niveau de responsabilité, produire un communiqué aussi irresponsable Le préfet de Dakar a écrit, je cite, les organisateurs et participants aux manifestations spontanées de ces derniers jours aux alentours de l'ambassade de la République de Guinée s'exposent à de lourdes sanctions nonobstant la possibilité de reconduite aux frontières pour les étrangers. Fin de citation. Qu'est-ce que les termes reconduite aux frontières pour les étrangers viennent faire ici qu'est-ce qu'ils viennent faire dans une simple démarche de maintien de l'ordre et qui est juste une opération de routine pour toute police ou gendarmerie du monde. Ce communiqué du préfet de Dakar est une dangereuse stigmatisation qui flirte avec la xénophobie. Le préfet de Dakar a fait du Marine Le Pen. Expulser des étrangers du Sénégal parce qu'ils tiennent une manifestation devant leur ambassade, et si le président de Guinée-Conakry appliquait la réciprocité le préfet de Dakar expose la vie des milliers de Sénégalais qui vivent dans ce pays où sévit une tension électorale et tous les risques qui vont avec. Et si tous les autres pays de la planète expulsaient avec la même légèreté les centaines de milliers de Sénégalais qui vivent sur leur territoire Combien de fois des Sénégalais sur tous les continents ont tenu des manifestations Combien de fois, lors de leurs déplacements à l'étranger, les différents présidents sénégalais ont-ils vécu des manifestations de Sénégalais pour ou contre eux tout cela pour dire encore que le communiqué du préfet de Dakar sur la communauté guinéenne est inacceptable. Et si lui, le préfet de Dakar, a reçu validation et approbation d'Alingou et de Macky Sall, c'est encore beaucoup plus grave. Le plus triste dans cette affaire, c'est de voir une partie de l'opinion sénégalaise, depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, cautionner les propos du préfet de Dakar sur les Guinéens du Sénégal. Les mêmes Sénégalais qui s'étaient pourtant émus de la décision d'Alpha Condé de fermer les frontières de son pays avec notre pays à la veille de la présidentielle de dimanche dernier là-bas. Alors, si vous acceptez que le préfet de Dakar menace d'expulsion les Guinéens qui manifestent au Sénégal, Acceptez donc les propos que le député Alioune Demboroso a tenus sur le mandat présidentiel pendant qu'on y est. La problématique, la problématique, du troisième mandat en Afrique, pourquoi nos chefs d'État ont tendance à s'éterniser au pouvoir malgré les verrous constitutionnels. Des spécialistes de la question expliquent, vous allez le voir, le problème se situe au niveau de la porte de sortie, comment quitter le pouvoir sans être inquiété. Mohamed Ali Mouba signe le dossier du jour. Le troisième mandat se pose presque partout en Afrique. C'est une question extranationale donc. À une question extra-nationale, des réponses supranationales. Mondial Sissé de l'ONG 3D. Il faut une solution au niveau des institutions africaines, des institutions communautaires. Il faudrait que ce soit réglé, à mon avis, pour éviter d'embrasser nos pays Hein, qui, sont, qui ont besoin euh, d'avancer, euh, au lieu d'être portés à discuter de problèmes de mandat, je pense qu'il faudrait une solution transnationale, c'est-à-dire trouver la solution au sein de la CDAO, en faire euh, une, disposition, une directive au sein de la, de CDAO. Je pense qu'avec ça, on évitera de, vivre à la veille de chaque élection ce genre de débat. Mais pour l'enseignant-chercheur en sciences politiques Iboussane, le problème est plus compliqué que cela le grand problème du troisième mandat en Afrique, pas seulement qu'en Afrique de l'Ouest, mais dans l'Afrique tout entière en général. Les gens cherchent à perdurer au pouvoir, à garder court que court le pouvoir. Et cela, à mon avis, est lié à deux choses. C'est que premièrement, nous n'arrivons toujours pas à aménager des portes de sortie pour nos présidents africains. Comment faire pour que le président qui exerce son pouvoir puisse s'en sortir de manière très honorable en restant en Afrique au lieu de se réfugier dans les pays européen ou pays américain, mais qu'il est quand même resté sur place dans son pays, pays d'appartenance. Il faut absolument aménager des portes de sortie aux présidents africains, sauf s'il y a détournement de deniers publics. Mais, si, mais parce qu'en Afrique, c'est toujours la politique du soupçon. Hein, du soupçon. Euh, dès qu'on parle de milliards, les gens soupçonnent de tout. Donc euh, si euh, les gens peuvent amener, aménager une porte de sortie honorable, les présidents africains partiraient plus facilement et on aurait des alternances démocratiques comme encore de plus en plus. Aménager des portes de sortie et éviter de manipuler l'ethnicité. La question identitaire. Les peuples n'avaient que le pouvoir économique, mais maintenant de plus en plus, il manque le pouvoir politique. Et les peuples veulent coûte que coûte, justement, obtenir ce pouvoir politique-là par tous les moyens, par tous les moyens, et pour, faire quoi Et les gens, en même temps aussi en, Guinée ou ailleurs, les gens préfèrent ne pas confier justement ce pouvoir aux peuple parce que bon, on connaît un peu euh, la station d'épaule. Hein. Euh, euh, quand on regarde un peu s'écouturer avec les, les autres qui sont partis, Diallo et compagnie, les gens font attention, les gens sont méfiants. Voilà pourquoi donc en, Côte d'Ivoire, en Guinée par exemple, bon, les gens sont là, arc-boutés sur le pouvoir. Les mannequins ne veulent pas lâcher le pouvoir. C'est très compliqué. Se garder de faire une chasse aux sorcières, donner des garanties, cela devrait être proposé et discuté au niveau sous-régional, dans un cadre communautaire. En Afrique de l'Ouest, la CDAO peut accueillir ce type de débat. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance le grand journal sur la 94.0 à 12h13 minutes. Point du jour à présent, COVID-19, 17 nouvelles contaminations, aucun nouveau décès ce jour. Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Sur 1379 tests réalisés, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,23%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 7 cas contacts suivis par nos services, Quatre cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise de Dias et six cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 2, Liberté 6-1, Parcelles Asseni 1, Thiès 1 et Yombol 1. 56 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Quatre cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 22 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 525 cas ont été déclarés positifs, dont 14 082 guéris, 321 décédés et donc un patients sous traitement pour que les cas importés euh, puissent baisser à l'aéroport international Blaise Diagne. Le ministre de la Santé en appelle à la responsabilité, pas seulement des Sénégalais embarquant pour le pays de la Teranga, mais également à la responsabilité, mais également à la responsabilité de tout voyageur. Abdoulaye Doufsar s'exprimait en marge de la réunion de partage du plan d'investissement du secteur de la santé 2020-2024 tout à l'heure. Le voici au micro de Awambaye une circulaire avait été prise pour demander à ce que tous les voyageurs disposent d'abord, avant d'embarquer, d'un test PCR négatif, et ce qui a été demandé. Dans un premier temps, on avait fixé la date de mise en œuvre de la circulaire au 1er novembre, mais quand on a senti le risque était réel et véritablement il fallait faire quelque chose, on a rendu cette circulaire d'application immédiate. Ce qui aujourd'hui d'ailleurs euh, peut poser quelques problèmes d'incompréhension au niveau de nos compatriotes euh, qui devaient revenir, mais on leur demande euh, une très grande compréhension parce qu'il s'agit de sécurité sanitaire nationale. S'ils peuvent faire ce qui a été demandé par la circulaire, je crois que c'est extrêmement important. C'est aussi un acte de citoyenneté de leur part. Il peut y avoir euh, maintenant des cas exceptionnels au niveau des aéroports pour euh, des passagers qui étaient déjà au niveau de la plateforme aéroportière au moment de la décision. Ça, il s'agit effectivement d'éléments qui sont dans le pipe. Il faut vider, mais dans, en tout état de cause, au niveau de nos frontières, un cordon très sérieux sera mis en place pour que le test soit systématiquement vérifié et refait si euh, le besoin s'en fait sentir. Mais surtout, et l'appel que je lance, c'est en direction de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais pour leur dire que quand des situations comme cela se présentent, accepter et faire le test conformément à la circulaire est un acte de citoyenneté. Voilà qui est bien dit. Les mauvaises conditions de travail des agents de la maison d'arrêt et de correction de Gossas mise à nu par l'Observatoire national des lieux de privation des libertés entre manque d'eau et absence d'équipement, tout y passe. Les détails dans cette correspondance Aminata Goudjabi. Cette déclaration de la présidente de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés a été faite après une visite effectuée à la maison d'arrêt et de correction de Gossas. D'après elle, beaucoup d'équipements de base manquent dans ce centre pénitentiaire de Gossas, ce qui rend difficile les conditions de travail des agents. Josette Marceline Lopez-Niaï. J'ai visité la marque de Gossas et je trouve qu'ils sont quand même dans un état de dénuement. Disons qu'il manque, par exemple, par exemple hein, des poteaux d'éclairage autour de la prison. Ils sont plongés dans le noir total. Euh, il y a des problèmes de fausses sceptiques, euh, pas de branchement d'eau courante. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit effort quand même pour les aider. Le gouverneur de Fatigue reconnaît cet état de fait, mais soutient qu'au niveau local, certaines collectivités territoriales font des efforts pour améliorer les conditions de travail de ces agents pénitentiaires. Le tableau que vient de dresser Madame la présent de l'Observatoire est tout à fait le même qu'on a trouvé là-bas. On avait demandé au président du conseil départemental de Gossas, mais aussi celui de Fundun. Ils avaient fait même des actions allant dans le sens de les aider, surtout en matière de ventilateurs, parce qu'il fait très chaud dans cette région. Ils avaient même fait des contributions en termes de matelas les détenus, en revanche, sont bien traités dans les maisons d'arrêt et de correction que l'Observatoire national des lieux de privation de liberté a visité dans la région de Fatigue. Dans l'ensemble, vraiment, euh, en ce qui concerne les conditions hein, des personnes, tout va, c'est correct. Tout est, il n'y a rien à signaler de ce côté-là. Outre les maisons d'arrêt et de correction, l'ONLP a aussi visité des structures sanitaires comme le centre psychiatrique d'Al Khel, le commissariat central de Fatigue et certaines brigades de gendarmerie. Sa mission se termine par des séances de formation à l'endroit des forces de l'ordre. Fatou Goudiaby Fatick RFM Rotary International dément toute liaison avec les loges maçonniques, selon l'adjoint gouverneur du district 9101 du Rotary International. L'association euh, est un club au, service des populations. Rotary International célèbre d'ailleurs demain la journée internationale de la lutte contre la poliomyélite. Elle se félicite de l'éradication de la maladie en Afrique, mais demande d'accentuer la sensibilisation. Docteur Masayari était l'invité de Matin. La poliomyélite est une maladie euh, handicapante, invalidante, qui a vraiment décimé beaucoup de générations de jeunes qui sont devenus handicapés ou bien même euh, qui sont décédés. Cette année, nous avons reçu la certification de l'OMS nous disant que la poliomyélite est éradiquée en Afrique d'une manière définitive dans sa forme sauvage. Vraiment, le mérite revient au Rotary parce que le Rotary a fortement contribué à l'achat de la vaccination contre la poliomyélite. On peut célébrer déjà la victoire parce qu'on a euh, éliminé la forme la plus dangereuse qui est la forme sauvage. Mais euh, il faut être prudent, c'est-à-dire il nous reste à faire la prévention. Parce que vous savez, il y a le poliovirus sauvage, mais il y a le poliovirus dérivé, c'est-à-dire euh, dérivé d'une vaccination mal faite. Bon, ce virus dérivé peut muter à tout moment. Donc c'est pourquoi il faut faire la prévention, il faut continuer à respecter le programme élargi de vaccination. Souvent, Rotary est pointé du doigt. On évoque euh, la franc-maçonnerie. Moi, je pense que c'est une fausse perception. C'est une fausse perception et bon, c'est vraiment une habitude au Sénégal. Si on voit des gens qui sont un peu nantis et qui aident les autres, bon, voilà, ce sont des francs-maçons. Non, nous ne sommes pas des francs-maçons. Nous sommes un club service. Nous aidons, nous mettons l'accent sur la solidarité humaine. C'est tout. C'est un faux débat. Nous sommes loin d'être une secte. Parce que parmi nous, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Et je ne pense pas que ce Rotary puisse continuer à être assimilé à de la franc-maçonnerie. La pénurie de poissons au Sénégal inquiète l'Union nationale des pêcheurs artisanaux. Ces derniers ont tenu une assemblée générale extraordinaire à Rufisque. Ils ont demandé à ce que le ministre, le ministre de la Pêche arrête de délivrer des licences à U et à Dja. Ils interpellent d'ailleurs le chef de l'État sur la question. Pape Massamba Fall, membre du bureau de l'UNAPES, au micro de Abu Diagne. Il y a une surcapture de la pêche industrielle ici au Sénégal. Les bateaux agonisent notre secteur d'activité, cause pour laquelle il y a eu la renaissance de l'immigration clandestine. Vu qu'on commence à perdre nos enfants qui vont de l'autre côté pour enrichir les pays, bas, et qu'en ce moment notre secteur d'activité agonise à cause de manque de personnel et que actuellement notre économie commence à agoniser un pays qui se sépare de sa jeunesse perd 50% de ses chances de réussite dans l'avenir, l'UNAPAS lance un cri de cœur à l'autorité et fait savoir au chef de l'État, M. Macky Sall, que nous n'avons aucun problème personnel avec qui que ce soit. L'UNAPAS est une entité autonome et indépendante agissant uniquement pour le développement de l'économie du Sénégal par la pêche artisanale, qui est un maillon intéressant dans le développement économique de ce pays. Et nous demandons au chef de l'État, M. Macky Sall, de donner des consignes à votre ministre de tutelle, Alun Doy, qui est le ministre de l'économie maritime, qu'il arrête de signer des licences de pêche. Actuellement, le pays n'en a pas besoin dans la mesure où on n'a même pas de ressources. Actuellement, même au niveau des concessions et des maisons ici au Sénégal, on n'a pas de poissons à consommer. Litige foncier en des agriculteurs et éleveurs de la zone proteste contre la spoliation foncière de plus de 100 hectares de la société Promidel. Ils appellent le chef de l'État à ordonner l'arrêt des travaux sur ce site. Un sitting a été observé aujourd'hui. Abdurrahman Diallo. Réveillés par des engins de prodimel qui labourent leurs terres, les éleveurs et agriculteurs de Balabougou et environ dans la commune de disent non à l'accaparement de ces terres. Diouf, éleveur. La zone, c'est une zone d'agriculture et d'élevage. La zone est située dans le nord de la commune de C'est la zone nord, comme on l'appelle. La zone a plus de 18, 19 000 Bovin, caprin, ovin. Et c'est la seule zone tampon qui reste dans la localité. Actuellement, la plupart des animaux sont dans le Djolof. À leur retour, c'est le seul point de chute en attendant que les travaux champêtres soient terminés. Malheureusement, à notre grande surprise, les tracteurs sont revenus pour dénaturer complètement le tapis herbacé alors que c'est la seule zone qui reste dans, le coin. Ces éleveurs et agriculteurs d'Ingenien ne comptent pas laisser Prodimel installer son projet sur ses 100 hectares. Ils invitent le chef de l'État à réagir avant que le pire ne se produise. Il faut que le président prenne la décision qu'il doit prendre. Nous, on est des légalistes soit qu'il nous octroie, qu'il nous délivre l'espace parce que c'est une zone de pâturage pour qu'il n'y ait plus de problèmes. La fois passée, il y a eu des blessés graves. Pour qu'il n'y ait pas de mort de grâce que le président nous délivre cette zone. Le mois dernier, sur ce même site, il y a eu des bagarres, plusieurs blessés étaient enregistrés et des paysans arrêtés. RFM Bourg, Abdourahman Diallo. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Détudiant. Merci Binta Diallo. Direction Guinée, le climat est toujours tendu avant l'annonce des résultats globaux de la présidentielle de dimanche dernier. Les résultats provisoires ne sont pas encore connus. Les résultats, provisoires au niveau national. La commission électorale a publié hier de nouveaux résultats partiels. Alpha Condé est en tête selon Reuters. Il a une avance de 1,2 million de voix après les décomptes dans 37 des 38 districts électoraux. Mais celui Dalen Diallo dénonce une fraude grande échelle. Des violences sont signalées dans le pays avec euh, des morts. Le QG de l'UFDG à Conakry est sous euh, surveillance, fermé par une chaîne et un cadenas. Et l'on nous signale que l'Internet est coupé en Guinée. Il est même difficile à l'heure où nous parlons de joindre Conakry. Et en Côte d'Ivoire, le pouvoir et l'opposition ne s'entendent pas sur la revue de la composition de la CENI. L'opposition a rejeté les propositions du gouvernement pour des aménagements de la commission électorale indépendante. Le PDCI le FPI n'ont d'ailleurs pas été à la rencontre à la primature hier. L'opposition maintient donc son mot d'ordre de désobéissance civile et demande à la CDAO de continuer son rôle de médiation, de facilitation dans la crise ivoirienne. Là-dessus, Maurice, Maurice Kakou, Guy secrétaire exécutif du PDCI. Les candidats Arikona Bédier et Pascal afin demandent à la CDAO de continuer de jouer son rôle de facilitation et de médiation dans le conflit ivoirien. La CDAO se trompe une fois de plus dans son analyse de la situation en Côte d'Ivoire en feignant d'ignorer les problèmes réels relatifs à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 qui ne peut se tenir à date échue sous la forme actuelle. Les candidats Harry Kona Bédier, Pascal Afingessan maintiennent leur mot d'ordre de désobéissance civile pour le retrait de la candidature anticonstitutionnelle et illégale d'Alassane Ouattara, la réforme de la CI et du Conseil constitutionnel, l'audit international de la liste électorale, le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques. Les candidats Henri Kona Bédier et Pascal Afingessan réitèrent leur demande de médiation internationale dans le conflit ivoirien. Direction Burkina Faso, où le Conseil constitutionnel a publié hier soir la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle. 13 candidats sont en liste, dont une femme, Yeli Monique. Parmi ces candidats, l'actuel président roch Christian Caboret, Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, l'ex-premier ministre de la Transition, Yakuba Isaac Zida en exil au Canada depuis 2016 et cadré Désiré Ouadreago, ancien président de la commission de la CDAO Aruna Kindo du mouvement des intellectuels pour le développement qui figurait sur la liste provisoire a été recalé pour non-paiement de la caution de 25 millions de francs CFA. La présidentielle burkinabé est prévue le 22 novembre prochain. Et au Mali, Georges, l'armée a repris Farabougou, assiégé par des djihadistes. C'est l'armée elle-même qui l'a affirmé et c'est le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui dirigeait les opérations. Depuis deux semaines, la situation des habitants de Farabougou était au centre de toutes les attentions. Encerclé par un groupe d'hommes armés présentés comme des djihadistes, ce village situé à environ 400 km au nord de Bamako était coupé du monde depuis le mardi 6 octobre 2020, lorsqu'un groupe armé a fait irruption lors de la foire hebdomadaire et a enlevé une vingtaine de personnes. Les assaillants ont ensuite pris position aux abords du village, bloquant toutes les voies d'accès. Le vendredi suivant, un groupe de villageois qui tentait d'entrer dans Farabogo est tombé dans une embuscade. Cinq personnes ont été tuées et une quinzaine d'autres blessées. Une situation qui a mis à rude épreuve les nouvelles autorités de Bamako, au premier rang desquelles les militaires qui ont mené le coup d'État à de Bamako. Dès le lundi 12 octobre, le ministère de la Sécurité affirmait avoir pris des mesures pour débloquer rapidement la situation mais l'opération militaire baptisée Farabougou Khalifa, autrement dit ramener la paix à Farabougou en Bambara, n'a été officiellement lancé que le 15 octobre, selon le communiqué des forces armées maliennes, annonçant que Farabogo avait été libéré le 22 octobre. La seconde phase de l'opération qui a conduit à la reprise du contrôle du village par l'armée malienne a été menée par les forces spéciales qui ont été acheminées par hélicoptère sur Farabogo. Sous contrôle terroriste, précise le communiqué des FAMA. En République euh, démocratique du Congo, Félix Tshisekedi s'adresse à la nation ce soir, discours sur fond de tension avec son premier ministre, cela à la suite du boycott de la cérémonie de prestation de serment de trois juges constitutionnels par le premier ministre, le premier, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, tous membres du Front commun pour le Congo, le FCC de l'ancien président Joseph Kabila qui dénonce une dérive dictatoriale. Le FCC accuse Tshisekedi qui est dit d'avoir violé la Constitution en nommant ses juges. La Libye, pour terminer, les belligérants ont signé un accord de cessez-le-feu permanent avec effet immédiat dans le cadre de leurs discussions sous médiation des Nations Unies à Genève. Une annonce de l'ONU qui euh, salue en tournant pour la paix. Cessez-le-feu conclut donc par le gouvernement d'entente nationale reconnu par la communauté internationale et les autorités de l'Est alliées du maréchal Khalifa Haftar après cinq jours de discussion. Merci Giorgio. Les sports, avec Cher Diagne. Bienvenue, Cher. Merci à vous, Binta Diallo. Bonjour. Le roi Pelé célèbre ses 80 ans. Aujourd'hui, un mythe qui reste intact. Oui, Edson Arantes de Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, qui célèbre aujourd'hui donc ses 80 ans. Sacré roi du foot dans les années 60, le Brésilien reste une icône. Sodakia. Voilà, on aura certainement le temps de revenir sur ce dossier qui a été donc fait par Sodekam. Et nous allons rester toujours avec Pelé, qui reste une légende <laughs> vivante, toujours adulée et aimée chez lui, même si le Brésil a produit d'autres légendes. Mais personne n'a encore égalé Pelé nous allons écouter cette fois-ci des Edson Arantes do Nascimento Pelé, malgré ses 80 ans, reste aux yeux de certains comme le meilleur footballeur de tous les temps. Mamadou Koumé, journaliste et qui l'a vu jouer, confirme. Pour les gens de ma génération, en tout cas, nous avons été enchantés par ce footballeur-là, qui reste, en tout cas, pour moi, le meilleur pour ce qui est de la technique, euh, les footballeurs euh, de ces années-là sont sans doute les meilleurs. Et je fais la remarque souvent aux gens, je dis, mais où sont passés les dribbleurs d'antan Pour moi, en tout cas, Pelé euh, reste le meilleur. Hein, ceux qui ont eu l'occasion, la chance de l'avoir vu ici jouer à Dakar, restent toujours sous le charme de, ce match qu'il a joué ici avec Santos contre la sélection du Cap-Vert. Autre journaliste qui a assisté à des rencontres du roi Pelé, Alejandro Valente, pour le chef du service des sports de Radio France Internationale, c'est difficile de faire la comparaison. Je le trouvais un joueur exceptionnel, mais j'étais davantage impressionné euh, plus tard par Maradona, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et puis euh, plus récemment par Lionel Messi. Euh, je ne sais pas si Pelé leur était supérieur ou pas. Je pense qu'il a vécu une autre époque, il a joué toujours au Brésil, il n'a pas eu l'occasion de se mesurer dans des grandes compétitions européennes. Donc je pense que qu'on a pas forcément les éléments pour les comparer, mais je pense qu'effectivement, Pelé, avec Maradona, avec Messi, peut-être avec Di Stefano, fait partie des tout meilleurs. En tout cas, la légende brésilienne du ballon rond se vante d'avoir franchi la barre des 1000 buts, même si certains auraient été inscrits lors des matchs non officiels. Retenez aussi que Pelé a marqué 6 fois 5 buts dans le même match, 30 fois 4 buts et 92 fois 3 buts. Et nous allons rejoindre du Brésil, Détouba qui est notre correspondant en particulier. Il nous parle du roi Pelé. Lorsque Pelé a soulevé la Coupe Jérémy pour la troisième fois dans un après-midi ensoleillé à Mexico en 1970, il a établi probablement le record le plus difficile à battre de l'histoire du football. Il est devenu le seul joueur à être tri-champion du monde et cette hégémonie d'une équipe nationale ne serait jamais répétée de la même manière. Pelé est une référence dans le monde et surtout au Brésil. Malgré ses plus de 1000 buts, Pelé n'a jamais évolué dans un club européen, ni foulé au stade de Wembley en Angleterre, encore moins être capitaine du Brésil durant toute sa carrière sportive. Les Brésiliens l'adorent comme le plus grand sportif de la planète et a été reçu par presque tous les chefs d'État du monde, par six papes au Vatican, sans compter des trophées et des titres d'honneur reçus. Son prestige a interrompu une guerre c'était au Nigeria en 1969 lors de la tournée de Santos Football Club en Afrique de l'Ouest, inclusive à Dakar au Sénégal. À l'époque, le Nigeria était dévasté par la guerre civile, celle de Biafra dans l'état d'Enugu, durant le gouvernement de Yokubu Gowon. Comme Pelé était connu mondialement, les rebelles indépendantistes dirigés par Obafemi Awolowo et le gouvernement militaire ont réalisé un cessez-le-feu laissant le temps aux amateurs du football de pouvoir regarder la légende brésilienne à Benin City. C'est pourquoi Edson Arantes de Nascimento, son vrai nom, a toujours exprimé que Pelé est immortel. Aujourd'hui, à 80 ans et malade, il observe dans sa maison sans longévité. De Tubamdiaï au Brésil, la future méga. Des Toubab voilà donc tout ce que l'on pouvait dire du roi Pelé qui célèbre aujourd'hui ses 80 euh, ans. Football toujours, mais cette fois-ci sur le continent africain. Il faudra noter cette rencontre devant opposé ce soir à partir de 18h à l'Arli d'Égypte au Wydad Athletic Club de Casablanca. C'est en demi-finale le retour de la compétition. Lors de la manche aller à Casablanca il y a une semaine, Al-Arli avait battu en déplacement le club casablancais sur le score de 2 à 0. L'autre demi-finale devant se jouer pendant ce week-end a été finalement reporté euh, du fait euh, du coronavirus euh, qui a donc qui frappe l'équipe du Raja de Casablanca, qui je le rappelle le week-end dernier était dominée par une autre équipe égyptienne en manche à l'est. C'était donc à Casablanca le Zamalek sur le score d'un but à 0 Binta. Reprise Tidiane, des championnats en Europe. Quelques matchs avancés sont attendus ce soir. En Espagne d'abord, c'est la septième journée à 19h ce soir. Elche joue contre Valence. En Angleterre, c'est la sixième journée qui va être entamée dès ce soir 19h Aston Villa Leeds. Et en Italie, c'est la cinquième journée aussi euh, à suivre à partir de 18h45 solo contre Torino. En Allemagne, la Bundesliga, c'est la cinquième journée du 137 après-midi. Alors ce soir, Garde contre Cologne. En France, c'est la huitième journée qui va être entamée dès ce soir à partir de 19h. Rennes va essayer euh, de récupérer la première place au classement. Ce sera face à l'équipe d'Angébinta. Foot chez nous, la Renaissance de Yoff veut retrouver la Ligue 2 la saison prochaine. L'équipe évolue en troisième division à cet effet. Elle a renforcé son effectif pour atteindre l'objectif assigné. Voici les précisions de Nyambe Diop, le président du club Yoff. Nous comptons organiser des tests pour détecter et prendre les 30 meilleurs joueurs du Sénégal avec euh, comme ambition la montée en Ligue 2. Euh, c'était programmé le 26, euh, le 27, le 29 et 30, mais vu l'indisponibilité du terrain de Pékin, nous avons reporté à une date ultérieure. Oui, euh, cette année, nous y croyons, hein. surtout avec l'accompagnement du maire Abdoulaye Doussar et la réception des janvier du nouveau stade de Yoff, qui est un stade de nouvelle génération, avec du gazon synthétique déjà réceptionné par le maire. Donc nous disons oui, cette année, nous y croyons avec la Renaissance sportive de Yoff euh, en Ligue 2. Le président de la Renaissance sportive de Yoff qui évolue en troisième division dont l'objectif principal est de retrouver la Ligue 2 la saison à venir. Minda. Merci beaucoup cher Tidiane. C'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Gestion du foncier au Sénégal, Macky Sall met les élus locaux devant leurs responsabilités. Le journal Le Soleil se fait écho ainsi de la parole du chef de l'État qui attire l'attention des maires sur les conflits liés au foncier. Et selon toujours Le Soleil, Aliou Sall, le président de l'Association des maires du Sénégal, semble avoir compris, qui dit que l'AMS ne soutiendra pas les maires auteurs d'actes illégaux. Le président Sall, qui présidait la première édition de la journée nationale de la décentralisation rappelle qu'il reçoit au quotidien 20 à 50 dossiers brûlants portant sur des litiges fonciers, mais il réaffirme l'autorité de l'État et la cohésion nationale, clause non négociable, soupire le témoin. Pour Walfadri, Maki sermonne les élus locaux, mais salle échange entre le président et son frère Aliou, au chef de l'État qui affirme que les maires ne doivent pas distribuer la terre aux premiers venus, le président de l'AMS répond que cette stigmatisation des maires n'est pas productive. Aléoussal incrimine plutôt les agents de l'État selon le journal As. Titre du journal L'Observateur, Maki tonce les maires Aléoussal défend ses pairs. En tout cas, c'est eux dans eux écrit le journal Source A. De Kaulak à Louga en passant par Kursambakan, Gayawai Pékin, Sinja, Dengler ou encore Teoranpel, tous les maires de ces localités appartiennent à la mouvance présidentielle. Selon Vox Populi, au cours de ses échanges avec les élus locaux, Macky Sall en a profité aussi pour s'autoglorifier, glorifier, gratignant au passage ses prédécesseurs, il affirme qu'un maquis dit on va faire ça, il ne faut pas dire ce n'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait là, ce que nous faisons n'a rien à voir avec ce qu'il y avait là il y a 10 ou 15 ans. Nouveauté aussi selon l'observateur dans la gestion des deniers publics. Le président fixe d'ailleurs les limites aux ministres et autres directeurs généraux. Après l'adoption de la loi de finances 2020-2021, il ne sera plus permis aux ordinateurs d'engager n'importe quelle dépense sur les crédits. Des plafonds sont fixés pour toutes les dépenses et une limite à ne pas dépasser pour les crédits de paiement. Dans le projet de budget 2021 du ministère de la Justice, 663 millions de francs CFA sont affectés à la nourriture et aux soins médicaux des détenus. Le journal note que le projet d'instauration du bracelet électronique connaît un début de solution puisque 3 milliards sont inscrits dans le budget. Le coût total estimé à 5 milliards rappelle toujours l'observateur. Des nouvelles de l'affaire du mariage des gays à Sacré-Cœur 3, à Sacré-Cœur Extension 3, le journal Les Échos soutient que pour louer l'appartement, ils se sont fait passer pour un daïra. Ils étaient 26 au lieu de 25, dont trois étudiants, de toujours en cavale. L'observateur en profite pour se pencher sur cette affaire de meurtre de notre genre. La parole sachant, d'une certaine façon, les jeunes ne font que subir la perversion des adultes très tôt exposés aussi à des cultures venues d'ailleurs, énonce textuellement Dr Massambagay, historien de formation contestation post-électorale à Dakar, le préfet se montre menaçant à l'encontre des manifestants devant l'ambassade de Guinée. Le journal Tribune constate qu'il s'expose à la reconduite aux frontières, en plus d'autres sanctions tout aussi dures. La crise des troisième mandats au-delà de la Guinée, la Côte d'Ivoire. Enquête note que la situation s'envenime là-bas. 15 personnes tuées dans les villes de l'intérieur. Des milices circulent. On couvre-feu instauré de 19h à 6h Alassane Ouattara appelle au dialogue. L'opposition campe sur sa euh, position. Et puis sport pour boucler, attaque muette, et défense déboussolée. Le Real inquiète avant le Classico. Euh, note le journaliste qui vous renvoie en page intérieure pour plus de développement. Dans le journal record, Bassirou Kandik, le coach de la Guinée-Bissau, a une mission celle de battre impérativement le Sénégal. Il dit on attend les lions de pied ferme. Ce ne sera pas la coupe Amirkal Cabral. Dans lambe, la fin de mandat du CNJ acté le 31 octobre prochain. Le nouveau président installé le 2 novembre informe le journal. Son mandat va durer deux ans. Sa mission principale, aller à une fédération. à tous. C'est la fin de ce grand journal. À la technique, euh, il y avait Abdoulaye Diop et Yassine Pouy au digital, Papo Mardia au régisseur d'antenne. À la réalisation, c'est Nourouba, c'est qui sera là dans un instant pour le 13h. Tout de suite, le journal du Maoulid avec Nafis.